Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire du Forum de la presse, le décryptage de l'actualité de la semaine qui s'achève. Dans ce numéro, tout d'abord, nous allons parler des préparatifs des opérations de convoyage des pèlerins nigériens à la Mecque pour le Hajj 2022. Ensuite, il sera question de l'adoption par l'Assemblée nationale le mardi 21 juillet du projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger. Les peines de prison pour les diffamations et les injures sont remplacées par des amendes. Aussi, nous parlerons de la drépanocytose. La journée mondiale de lutte contre cette maladie a été célébrée le 19 juin dernier autour du thème La drépanocytose, quelle stratégie pour une meilleure survie Enfin, nous aborderons la question de l'enfant africain célébré le 16 juin dernier. Pour cette 46e édition, le Niger appelle à l'élimination des pratiques néfastes affectant les enfants, notamment la mendicité. Pour décrypter ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Memoune Diado, elle est journaliste indépendante. Bonsoir, Madame. Bonsoir, Ousseini Issa, il est journaliste indépendant. Bonsoir. Bonsoir. Et El Haj Mohamed Souleymane, directeur de publication du journal en ligne Niger Inter. Bonsoir. Bonsoir. À la modération, je suis Nafis Adam Sirfo. Bonsoir à tous et bienvenue. Après deux années d'interruption pour des raisons liées à la pandémie de la COVID-19, l'organisation du Hajj reprend cette année avec un quota mondial d'un million de pèlerins, soit 45% du quota habituel. Le Niger a bénéficié d'un quota de 7194 pèlerins, dont 5915 pour les vols charter, soit à 90% du quota global et 719 en vol régulier, soit à 10%. Selon le haut commissariat à l'organisation du Hajj et de la Omra, le Coro est prêt pour le départ des pèlerins avec un minimum de 12 dotations d'avions. Et notons que le premier vol a été prévu euh, en début euh, de journée du jeudi 23 juin, jusqu'en fin de journée, le premier vol n'a pas quitté. Donc je commence avec vous, Madame Maimouna Diado. Quelle appréciation faites-vous euh, de l'organisation du Hajj 2022 ici au Niger après deux ans d'interruption euh, merci euh, Nafisa. Hein. Je me dis que d'abord, il ne faut pas oublier que euh, deux ans durant, le Niger n'a pas pu euh, organiser le Hajj pour pouvoir être avec ses pèlerins au niveau de l'Arabie Saoudite mm. du point de vue donc de la situation de Covid-19. Donc, quand vous voyez, deux ans, c'est pas facile pour revenir, pour arranger certaines choses. Il y a des agences qu'il fallait donc euh, essayer également de les accompagner, de voir d'abord les problèmes auxquels ces agences ont, euh, euh, ont dû faire face durant ces deux ans. Mm. Donc c'était pas facile du tout, c'était pas facile du tout. Donc peut-être que c'est également dû à cette euh, situation qui a fait en sorte que euh, on est là jusque là euh, affecté par ces petits problèmes là mm. et que le premier vol jusqu'à présent n'a pas pu se, se faire jusqu'en fin, donc de journée du jeudi mm. et donc c'est vraiment ça. Il faut il faut essayer parce que je sais que l'État a mis les efforts, en tout cas pour pouvoir accompagner ces agences de voyage. Vous avez vu, ils ont également innové par rapport à l'inscription des, pèlerins mhm, mhm. Euh, par euh, en ligne. Donc c'est vraiment euh, réfléchi, ils ont innové. avec cette innovation, ils ont eu également des agences qui ont été sanctionnées. Bien sûr, Donc je des agences qui ont été même supprimées. Oui, supprimées, sanctionnées supprimées pour qui ne pourront pas en tout cas voyager avec faire amener leur, malheureusement, leur mhm. au niveau euh, de, la, euh, de la Terre Sainte. Et je, me dis de toutes les mille manières euh, qu'on prépare l'organisation du Hajj on ne peut pas être effective. Il y a toujours des petits problèmes qui mhm. surgissent. Mhm. Il faut simplement prier que euh, nos pèlerins puissent en tout cas atterrir dans de très bonnes conditions au niveau donc euh, mhm. euh, du Hajj, de la Terre Sainte, et qu'ils puissent être pris dans les meilleures conditions, parce que ce que nous avons vécu les années dernières par rapport justement à la restauration, le logement et tout, mhm. je pense que des mesures ont été prises par l'État pour que ça ne puisse pas revenir et affecter les pèlerins qui mhm. vont aller pour le Hajj. Des problèmes donc euh, lié euh, à l'organisation du Hajj, comme l'a soulevé Maimouna, euh, que ce soit du partage du quota, la répartition des places pour les agences, l'acheminement des pèlerins. Monsieur Ousseini, ces problèmes, quelle explication vraiment donner à la persistance des problèmes liés à l'organisation du Hajj au Niger Pratiquement, ça fait plus d'une décennie que ce problème-là persiste. Tout le monde sait que chaque année, souvent, c'est précipitamment à la dernière minute qu'il y a des avions pour acheminer les, pèlerins en Terre Sainte, n'est-ce pas Ça n'a pas commencé cette année. Et moi, je ne suis pas du tout surpris qu'on se retrouve confronté à la même situation malgré la mise en place, parce que même la création du COO est née de ce constat-là chaque année, les pèlerins ont des difficultés pour être acheminés. L'institution pour réguler la situation. On a mis en place parce que c'est une institution étatique mhm. pour pouvoir réguler, comment dire, gérer un peu. C'était pas dans la pagaille à l'époque parce que à l'époque, au tout départ, quand il y avait juste l'impôt, l'agence nigérienne pour le pèlerinage qui mhm. était une institution, un service de l'État, ça se passé sans grosse difficulté. Maintenant, depuis qu'il y a eu la multiplication des agences, où tout, chaque année, il y a de nouvelles agences qui s'écrivent ou déjà des mm. c'est lucratif quelque mm. part. Mm. On assiste à cette situation-là. Donc, si on comprend, euh, vous voulez dire qu'il y a une part de responsabilité du COHO, même si on peut le dire. Oui, mais, ah, mais, mais, non. Je ne dirais pas qu'il y a une part de responsabilité. Mais je veux dire quelque part, c'est que c'est devenu une espèce de jungle où chacun est là, mais ça s'améliore. Au fil du temps, c'est en train de s'améliorer, mais je me fais pas. En, tout cas, je ne suis pas de ceux-là qui pensent que ça peut se régler du jour au lendemain. Hmm. Parce que le convoiage, c'est quoi C'est l'avion. Mais bon, bon quand il n'y a pas d'avion, de compagnie ici qui peut. C'est des compagnies qu'on va affréter d'ailleurs, qui vont venir prendre les pèlerins et tout et tout. Hmm, hmm, quand il y a des petites difficultés, les compagnies là, ils ont besoin de se faire de l'argent, comme les agences ont besoin de faire de l'argent. Mm-hmm. Ou ils ont la certitude qu'en venant, on ne sait jamais, il y a toujours des couacs dans ce genre de choses-là. Mm-hmm. Quand on parle de tout est clean, on a tout mis en place pour que les choses se passent normalement. Mm-hmm. Les choses ne vont jamais se passer normalement. Parce que dans ce contexte, dans ce qu'on vit aujourd'hui, c'est que ça ça, ça, ça, profite à des gens. C'est un business. Ah, c'est un business. Il ne faut pas se faire d'illusion. Ah, derrière l'aspect euh, comment religieux là. Euh, le problème, est-ce que le problème ne serait pas lié au fait que euh, la dotation des avions ne soit pas, je sais pas. Oui, mais on n'a pas d'avion, on n'a pas de <laughs> compagnie aérienne. On est obligé d'aller affréter des avions d'autres compagnies. Mhm. Bien évidemment, ça peut se poser comme problème. Mhm. C'est d'abord le premier problème quand vous n'avez pas les moyens pour transporter vos passagers, vos pèlerins avec vos propres moyens, évidemment, il y a ce problème qui va se poser. Mhm. Sans compter, il y a d'autres détails peut-être qui, ne sont pas expliqués. mais toujours est-il dit que on va continuer à connaître cette situation-là d'année en année. Mhm. Parce que ce n'est pas parce qu'on a mis en place une institution qui est là, une structure qui est là pour gérer. Mais même avec la structure, on voit ce qui se passe, où mhm. des gens cherchent à tricher. D'accord. Alors, Alage Mohamedou Suleiman, après vraiment deux ans d'interruption, euh, d'aucuns disent que le Niger devrait être prêt pour euh, l'organisation de ce Hajj, euh, du convoyage, même si on peut le dire. Et malheureusement, pour le premier vol même, il a pris du retard jusqu'en fin de journée. Il n'a pas quitté du jeudi, il n'a pas quitté. Comment expliquer cela ben, Pour ça, ça peut être justement lié à quelques problèmes euh, on a euh, reçu cette semaine en interview le euh, haut commissaire du COHO, mhm, mhm. qui nous a expliqué les innovations dont parlait Memouna, effectivement. mais le premier problème qui est constant, Hussein l'a dit, c'est que le fait qu'on n'ait pas des avions aussi au Niger, au niveau des transports, mhm, on va être surpris, parce que nous comptons sur les autres qui peuvent, euh, c'est quand même du business. S'il y a une autre offre, ils vont d'abord satisfaire d'autres pays, dans mm. notre ah, pays pour venir nous prendre en, dans mm position. Donc, je ne sais pas, mais euh, je sais que aussi, n'était pas un avantage le fait euh, de ne pas faire le Hajj deux ans, puisque Déjà en 2019, on sait qu'on a eu plus de 15 000 pèlerins. Mhm. Cette année, on n'a eu que 7 194. Euh, euh, donc, vous voyez, la demande de trois ans presque euh, s'est accumulée. Donc, en vérité, si les gens ont voulu frauder, c'est parce qu'effectivement, chacun voudrait que ces pèlerins passent. Il a pris de l'argent des pèlerins depuis 2-3 ans. Donc, vous voyez un peu ce que ça fait en termes de, pression sur mhm. tout le monde. Mhm. donc, c'est un, un, aspect. Mais le, le commissaire du, du, nous a dit que euh, véritablement euh, les conditions euh, parce que en fait le GAO, La, gestion automatisée de, du, du, Hajj permet en tout cas d'éviter les fraudes parce que mhm. même elle a dit cette année par exemple au niveau de l'embarquement euh, la, technologie permet que c'est seulement les pèlerins qui soient inscrits, au niveau du GAHO mhm. qui vont être autorisés par la machine. Parce que les informations sont données, le pèlerin a un numéro qu'il vient avant de passer. Oui, les informations sont enregistrées. absolument. Mhm. Mhm. Euh, j'ai vu, en tout cas, euh, on a un communiqué du, du, aujourd'hui pour dire que déjà, avant même l'embarquement, on a constaté des, anomalies au niveau du, visa. il appelle les chefs d'agence, en tout cas, de faire attention de bien regarder le document de chaque pèlerin pour éviter justement de, des erreurs. Parce que les informations qui sont dans le document, en tout cas s'il y a des erreurs, le pèlerin est bloqué, ne, ne, passe pas. Mhm. Donc de façon générale, moi je pense que euh, si on arrive à... Euh, parce que moi chaque fois j'ai dit, notre pays, en tout cas il y a eu des opportunités. Mm-hmm. Tout à l'heure, euh, on parlait de la, NPO. À l'époque, la NPO avait atteint vraiment un certain niveau, ils avaient des moyens pour se doter, en tout cas, avoir des, des, des, des avions. Mm-hmm. Il y a eu d'autres initiatives, mais en tout cas, tant qu'au Niger, on, ne mettait pas en tout cas le transport qu'on n'a pas nos propres euh, compagnies aériennes, en tout cas. Le problème. Euh, euh, va, va, va, mm-hmm. Deuxième problème, c'est qu'aussi, au niveau des chefs d'agence, cette euh, façon de faire euh, de ce business-là, vraiment, on le sait, les gens, mhm. s'ils ont. Euh, en avant l'intérêt général donc, du pèlerin du, ils peuvent se regrouper. Mhm. Des gens qui ont souvent 2000 pèlerins, 1000 pèlerins, durant ces années, c'est beaucoup de gens qui ils peuvent aussi s'organiser, mhm. créer une compagnie de transport, travailler avec d'autres compagnies, mhm. ça pourra effectivement aussi alléger. Mhm. Aujourd'hui, par exemple, euh, ceux qui ont les moyens, qui ont fait les vols réguliers, les Nigériens sont déjà arrivés là-bas. Oui, pour les vols réguliers, il y a eu au 10%. C'est seulement 10%. Donc, vous voyez aussi l'orage, euh, le hage, ceux qui le, souvent les gens veulent toujours, en tout cas, peut-être parce que c'est un peu difficile, mhm. mais souvent les gens peuvent avoir des moyens, tu as suffisamment de moyens pour faire ton vol régulier, en fait, euh, tout simplement, parce que l'accueil, on a posé au, au, au, au, commissaire l'autre problème aussi, mhm. qui terminait l'image du Niger, c'est aussi l'hygiène. Mhm. Les pèlerins nigériens, à comparer avec les autres nationalités, c'est là où vraiment en termes d'hygiène, c'est insupportable. Mhm. Donc, euh, on, a dit quelles, sont les conditions, parce que simplement, on va parler, sur le Niger, quoi. Il a dit, bon, ils ont essayé, en tout cas, sur ce domaine-là, où l'État saoudien, le royaume en tout cas, a pris des mesures, mais eux aussi, ils vont veiller. Mais bon, il a dit c'est aussi sensibilisation parce que beaucoup de pèlerins aussi qui viennent, viennent donc du monde rural aussi. Il faut les sensibiliser pour l'usage en tout cas des moyens modernes, un peu donc des toilettes, tout ça quoi. Merci bien. Deuxième euh, sujet du forum euh, de la presse de ce jour, les députés ont approuvé le mardi 21 juin le projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019 portant répression de la cybercriminalité au Niger les le texte qui a été adopté supprime les peines de prison pour diffamation et les injures qui sont remplacées par des amendes. Alors, Ousseini, comment vous appréciez cette révision de la loi sur la cybercriminalité par les députés mais cette loi, <clears throat> la révision de cette loi, moi je l'ai acclamée des deux mains. <laughs> pourquoi Je sais de quoi je parle. Oui, quels sont pourquoi En vérité, c'était une loi qui a passé comme ça à l'époque, délibérément, pour pouvoir mettre de côté l'ordonnance portant un régime de la liberté de la, presse. N'est-ce pas mhm. On dit pourtant sur la cybercriminalité. Moi, dans mon entendement, la cybercriminalité, c'est quoi C'est ceux qui, par des mécanismes informatiques, ils parviennent à rentrer dans des comptes. Sur les réseaux sociaux. Oui, Maintenant, malheureusement, c'est une loi qui a commencé à s'appliquer avec des blogueurs et autres dans mhm. ce pays. Mhm. C'est-à-dire quand vous allez devant le juge, on n'applique pas l'ordonnance pour qu'un régime. Alors que bon, jusqu'ici, on n'a pas fait un texte pour régir un peu les blogueurs, mhm. mais on considère qu'ils font partie des journalistes. Mhm. Et même les journalistes sont concernés. Mhm. Parce qu'aujourd'hui. Le statut de blogueur, euh, jusque-là, je ne pense pas que ce soit. Oui, oui, Mais ce qui se passe, c'est que vous pouvez publier quelque chose dans votre journal, quelqu'un peut prendre pour lancer à travers les, réseaux sociaux travaille peut-être une, une, page Facebook, ah, oui. <laughs> Mais alors, vous avez dit, vous êtes dans le domaine de la cybercriminalité. Mhm. Et c'est pour ça, je crois, ils ont été sensibles à ça. Il fallait enlever parce que ça allait être désastreux pour les médias. Mhm, mhm. Parce que vous ne pouvez pas faire votre information. Quelqu'un va d'autre, oui. <laughs> Sous l'anonymat, dans l'anonymat, il met, il balance avec votre signature et tout et tout. Bon, ça tombe dans les registres de la cybercriminalité parce que c'est un peu ça la tendance. Et c'est pour ça que quand on a enlevé, pour dire, il faut conformer. Parce que c'est ça qui s'est passé. Mhm. Qu'est-ce que dit l'ordonnance portant régime de la liberté de la presse Qu'est-ce que dit Il faut qu'on harmonise les textes. faut tenir compte, pour que ça ne soit pas un abus ou un document, un texte de loi qui va être appliqué systématiquement contre les journalistes. Parce mhm. qu'aujourd'hui, tout ce que vous produisez, à l'instant où c'est publié, quelqu'un a repris ça. Mhm, il peut même modifier pour vous créer des ennuis. Vous n'avez pas le contrôle, la maîtrise. Mhm. C'est en cela que je considère que c'est une bonne chose qui a été faite. Moi, je salue l'initiative euh, parce que euh, ça, ça, a commencé à être inquiétant pour, la profession. Mhm. Vous pouvez à tout moment être interpellé alors que vous ne savez même pas c'est quoi, c'est peut-être devant le juge que vous Justement, est-ce que vous avez des informations sur les amendes prévues Bon, je n'ai pas, mais je connais mm. un peu les amendes qui mm. sont contenues dans l'ordonnance pour le régime de la liberté de la presse. Mm. c'est juste des, sanctions. C'est-à-dire, quand les gens parlent, j'ai dit, on a plutôt, même dans l'ordonnance pour le régime de la liberté de la presse, on dit pénalisations. Ce n'est pas une dépénalisation parce que c'est des sanctions qui sont appliquées. Mm-hmm. C'est que le journaliste, il ne va pas en prison, mais, il tu vas devoir payer des frais. Mais il y a une catégorie d'infractions pour lesquelles qu'on considère comme des crimes, mhm. pour lesquelles quand le journaliste le fait, inévitablement, il, va, aller en prison. Il va aller en prison, effectivement. Euh, Alors, euh, El Haj Suleiman, c'est une bonne chose de, que de réviser cette euh, loi. selon vous, ou bien êtes-vous optimiste quant à l'effectivité de cette décision euh, optimiste, euh, vous savez, comme on dit, la liberté, c'est une conquête, elle ne se mhm. donne pas. Il faut mhm. être vigilant, mhm. euh, même s'il y a des textes, souvent, les gens ont tendance à les appliquer quand ça les arrange ou bien, vous voyez. donc, c'est une <laughs> très bonne chose. On se souvient lorsque le gouvernement avait adopté ce projet de loi, même le président de la République avait fait un tweet pour dire que désormais, donc, les délits d'injure et de diffamation donc, ne seront pas sanctionnés pas de, pas de peine de prison, mais de peine d'amende. Seulement aussi, là aussi, quand on parle d'amende, c'est un couteau à double tranchant. Mhm, mhm. Les amendes peuvent amener en prison. Lorsque vous ne pouvez pas amener, payer l'amende, c'est tout euh, normal. Ça passe absolument à, <laughs> euh, par une prison. Mhm. Même, effectivement, à l'époque, c'était ça le pays de la loi 035 de 2010, la loi sur donc, le régime de la liberté de la presse. C'était cela, effectivement, une forte amende euh, donc là, il appartient aussi au magistrat. Euh, je dois quand même vraiment le relever. même le, on, a, fait passer la loi en 2019 sur la cybercriminalité, oui. quand les magistrats ont quand même fait un effort de l'appliquer, de ne pas vraiment trop trop euh, sanctionner. quoi. Mm-hmm. Vraiment, ils ont été un peu mayanimes par rapport, en tout cas, aux différents cas qu'ils ont eu à, à, C'est une très bonne chose. Maintenant aussi qu'il y a une évolution, parce qu'autrement dit, à l'époque, nous, en tout cas, en tant que journalistes, on se battait pour que, en tout cas, le journaliste soit préservé. De, Maintenant, aujourd'hui, c'est tout le monde, tous les citoyens, effectivement, le les blogueurs, effectivement, tout le monde, ne peut pas aller en prison pour un délit d'opinion, en tout cas pour une question de, divorce. C'est une très, très bonne chose, en tout cas, c'est une avancée. Je pense qu'il faudrait que peut-être que euh, le, le, le, régime en place a changé de fusil d'épaule parce que tout simplement, aujourd'hui, il faut le reconnaître, la liberté de la presse à mesure de la euh, euh, gouvernance. Mhm. Donc, si effectivement cette loi est maintenu avec donc ce, cette sanction là où parce que tout simplement vous avez diffusé une information, mm. euh, vous allez en prison. Effectivement, ça allait être un coup dur pour le, pays en termes euh, euh, de respect de la liberté de la, de, la, presse. Oui, mais maintenant, quelle doit vraiment être la responsabilité des journalistes la responsabilité, c'est d'abord, pas seulement de, tous les citoyens. Parce que, donc, il y a la liberté mais aussi à des limites. Hmm. Nous, en tant que jeunes, effectivement, sur le respect de l'éthique et la déontologie, quand on écrit un, un, article ou bien on fait un, papier, quand on respecte les règles, effectivement, vous savez, souvent, euh, c'est aussi cela la, délicatesse. Hmm, hmm, on peut dire des choses graves, mais avec euh, un temps mesuré, un style. Vous ça peut passer. Mais lorsque vous venez de les <laughs> choses de façon vraiment brute, et vraiment, personne ne peut vous, vous, défendre. <laughs> Donc, moi, je pense que c'est cela. Euh, oui, il y a cette euh, liberté, mais soyons responsables. D'accord. Soyons responsables. Alors, Mouna, quels sont vraiment les grands défis qui se posent aujourd'hui à notre, à notre presse d'aujourd'hui avec cette révision de la loi euh, cette révision de, la loi, c'est bien entendu euh, quelque chose euh, qui, nous arrange, qui arrange, comme l'a dit Elagi, tous les citoyens, pas seulement la presse en tant que telle. Mais aujourd'hui, la presse, c'est pas parce qu'il y a une loi qui, en fait, vous permet d'exercer, comme je pourrais le dire, votre métier en tant que tel et que vous n'avez pas de retenue. Il faut toujours avoir des retenues. On ne vous donne pas cette liberté de la presse, cette liberté pour aller euh, au-delà de cette liberté. Ça veut dire que les, si vous ne pouvez pas partir, si avec ce que vous écrivez, vous ne partez pas en prison parce que vous avez diffamé mhm. quelqu'un, mais mhm. est-ce que ça sert aujourd'hui d'aller sur, euh, euh, d'écrire, de diffamer une personne, mhm. un citoyen moi, je me dis que quand vous écrivez, il faut savoir comment écrire parce que les personnes sont sensibles. Mhm. Ceux qui vous lisent ou bien ceux qui vous écoutent, ceux qui, euh, euh, en tout cas, regardent les éditions que vous donnez, mhm. il faut que cette personne sache que vraiment il y a du professionnalisme qui est fait dedans. Mhm. Et je pense également que maintenant le défi, c'est vraiment que tout le monde s'y mette pour faire quelque chose de bien, mm-hmm. pour pouvoir euh, en tout cas consolider ou pour, pouvoir euh, acquérir mm-hmm. véritablement cette loi qui a été votée. Euh, déjà que les députés, il y a certains, je suis sûr, qui n'étaient pas pour, oui. qui n'était pas pour que cette loi-là passe. Effectivement. Mais, mais comme on le dit. Le vote a été. Voilà, oui. <laughs> Ça va Oui. zéro abstention. Oui, zéro abstention, mais au fond, au fond on sait, on sait comment les choses se sont passées. mais donc, dans ce cas, c'est à nous de prouver, nous, en mhm. tant que journalistes, de prouver que nous accueillons véritablement cette loi qui a été révisée et de nous y mettre pour pouvoir euh, vraiment que son application aussi soit effective et que nous travaillons dans les bonnes conditions d'éthique et de déontologie. Justement, que dire vraiment à tous ces journalistes, surtout sur le terrain, pour vraiment ah, ah, garder <laughs> jalousement cette responsabilité qui nous est donnée cette responsabilité, quand des mm. gens rentrent dans le métier, ils n'ont aucune connaissance du métier, ils se lèvent un beau matin, mm-hmm. ils s'autoproclament journalistes. Mm-hmm. Les gens sont là, on les voit sur le terrain. Mm. Le gars, tu ne sais même pas d'où il est sorti. Il est là, il trouve son calepin, il trouve son enregistreur, il vient. Et il n'y a personne pour lui dire ça. <laughs> les journalistes sont coupables. Donc il faut que les gens d'abord commencent. Moi, je connais des pays. Quand vous n'êtes pas journaliste, mhm. quand personne ne vous dit sortez, monsieur. Aujourd'hui, tous les matins, dans les couvertures et autres, vous allez trouver des gens. Comme ça, là, vous vous posez la question, ce monsieur, il sort d'où mhm. Il travaille avec qui mais les gens ferment les yeux pour prendre juste les frais de taxi ou comment on les appelle là. Hein. Tout le monde. Donc, euh, les ah, institutions de régulation des, médias également doivent. Euh, non, non. Parce que d'abord, nous, nous autres, ceux qui exercent le métier, mhm. d'abord, <coughs> la, le la boussole, c'est l'éthique. L'éthique et la déontologie. Voilà, il y a des documents dans lesquels tout est cadré on dit comment le journal doit se comporter, comment il doit faire. Mhm. Mais quand on fait une chose, on est là dans un métier où chacun se lève un beau matin parce qu'il sait écrire son nom mhm. et le nom de son papa. Il devient journaliste et les autres les regardent. Oui, il devient des histoires caméramanes des choses comme ça. On espère bien que ah, sur non, le terrain, non. oui. Non, il ne faut pas. Que <laughs> doit-on faire Il faut que nous-mêmes, nous soyons responsables, sur le terrain. Quelqu'un qui n'est pas du métier, on le détecte il faut le mettre dehors. Alors, on espère bien que les journalistes soient vraiment responsables sur le terrain, comme l'a dit Hussein Issa, avec cette révision de la loi sur la cybercriminalité. Nous allons marquer une petite pause avant de poursuivre ce débat. Sujet santé à présent, le 19 juin a été célébré la journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la maladie, la drépanocytose est la première maladie génétique mondiale atteignant environ 50 millions de personnes chaque année et 300 000 enfants naissent avec la maladie et on recense plus de 200 000 cas en Afrique. Au Niger, selon les autorités sanitaires, la drépanocytose constitue un problème majeur de, santé publique du de sa prévalence élevée à, à estimé à 23,2% contre une prévalence de 13% pour le continent africain. Alors, euh, Maimouna que dire sur cette euh, maladie euh, qui constitue vraiment un problème de santé publique ici au Niger eh, vous l'avez dit, c'est <laughs> vraiment un problème de santé mhm. publique au Niger. Hein quand on entend plus de 200 000 ou quoi la personne euh, touchée, mm-hmm. la maladie en tant que telle, nous savons que le coût, c'est un coût pour les parents. Mm-hmm. Aujourd'hui, celui ou celle qui a son enfant qui souffre de drépanocytose, mm-hmm. en effet, ça c'est un problème pour euh, ce parent-là, de, en tout cas, subvenir au traitement. Euh, de l'enfant. Chaque crise nécessite, vraiment des dépenses euh, pour, euh, euh, pour, pour, l'enfant. Mm-hmm. Et je ne pense pas que aussi la prise en charge soit une prise en charge totale pour ces, enfants-là. Et on peut trouver dans une famille deux à trois enfants porteurs. Deux à trois. Moi, j'ai eu une amie qui avait ses trois enfants drépanocytaire. Mhm. Et ces enfants-là font la crise chaque mois. Là, elle n'a pas de repos. Elle a dû même abandonner son travail pour pouvoir s'occuper de ses enfants. C'était mhm. pas facile. Mhm. Donc c'est pour dire que on entend à chaque fois que l'État, euh, c'est vrai, l'État est en train de mettre, de faire de son mieux pour pouvoir alléger euh, quelque part euh, les souffrances de ces, de ces drépanocytaires, mais c'est n'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Mhm. Mhm. S'ils peuvent s'investir, si l'État peut s'investir davantage. Mhm. Il a d'ailleurs euh, créé le centre oui, référence le, centre, le centre, déjà, il y avait un centre qui était en face de l'hôpital, mais délocalisé. et ils ont également des partenaires, je pense bien, qui, en tout cas, prennent la prise en charge de ces enfants-là. Euh, une ONG danoise ou je sais pas qui s'occupait de ça avant. Mais maintenant, c'est vraiment de, multiplier, de multiplier euh, cette euh, prise en charge, mhm, mhm. de voir comment est-ce qu'il faut encore améliorer la prise, en charge au niveau de ces enfants. Parce mhm. que quand tu fais un tour dans ce centre, tu, tu, pleures même avant de, avant de sortir. Quand tu vois une mère qui est là, un père qui est là, qui ne sait même pas. Ça fait mal. Ça fait mal. Tu vois l'enfant dans les crises. Tu ne sais pas comment est-ce que tu vas faire pour soulager cet enfant-là. Mhm, mhm. Il n'y a pas en fait un médicament approprié pour euh, guérir euh, l'enfant, mhm. mais euh, il y a des médicaments, des calmants, comme on le dit, mhm. pour soulager un peu mhm. l'enfant. Donc je pense qu'il faut également essayer de voir comment est-ce que peut-être avec les laboratoires et tout, trouver un médicament qui peut oui, oui, alléger vraiment la souffrance de ces enfants. Comme je le disais, El Mahmoud, le centre euh, de référence de la drépanocytose a été créé en 2010 euh, pour vraiment prendre en charge euh, ces malades de la drépanocytose. Et à l'occasion de la journée célébrée le 19, la directrice du centre même qui était interrogée par le studio Kalangu disait que c'est plus de de 8000 euh, malades atteints de cette maladie qui sont pris en charge au niveau de ce centre. Vous, comment est-ce que vous appréciez vraiment euh, euh, les, prestations au, niveau de ce centre-là Oui, avant de parler de, vous, avez dit que ça c'est le chiffre annoncé par le ministre de la mhm, Santé en 2019 au lancement du mhm. centre il dit c'est 2,3% des Nigériens qui sont concernés, mhm. soit une personne sur cinq pour dire que euh, c'est une réalité de notre un pays. grand problème de santé. Euh, d'où donc euh, la nécessité véritablement de, de faire en sorte que, en tout cas, d'agir. Effectivement, au niveau du centre, il, accueille non seulement dans le traitement, mais aussi dans les conseils psychologiques, parce que c'est comme quand mhm. une maladie, bien décrit, mhm. très préoccupante. Effectivement, il faut accompagner ces malades. Euh, il faut donc également, euh, en termes d'information, sensibiliser, mhm, mhm. Euh, non seulement aider les malades à mieux connaître la maladie, mais aussi la population parce que quand même, euh, donner des informations à la, population. Oui. Il faut faire en sorte que éviter certains mariages entre, euh, euh, entre les gens. Mhm, mhm. Donc, quand on est informé donc, sur la situation, on peut mhm. éviter donc, les mariages parce que. Malheureusement, il y a des mariages qui se font. Absolument. donc, vous voyez, tout, tout, cela, c'est un peu un peu de, société. Parce que via la, la culture, le, plus souvent, vous allez voir dans nos sociétés, les gens ont tendance à faire du mariage consanguin, en tout cas de euh, en fait, on ne tient pas compte. Même quand il y a des, maladies, le test demandé, le test pour, vous voyez, on n'est pas encore là. Donc, c'est-à-dire qu'il faut sensibiliser, sensibiliser euh, renforcer les, gens euh, au niveau donc de malades, disons, une, une, meilleure connaissance en tout cas de la maladie et les mm. conseils justement pour être pour, pour, supporter cela. Mm. donc, je pense que finalement, au regard de notre situation aussi de, de je veux dire, euh, l'état du le développement de notre pays, mm. vous voyez des maladies comme ça, c'est vraiment des maladies euh, et qui ne sont pas des maladies euh, de, de, pauvres en termes de prise en charge. Quand effectivement mm. déjà les familles qui ont d'autres chats à fouilleter, c'est difficile, Quand on a vraiment, maman l'a dit, en tout cas, une, victime, en tout mm-hmm. cas, un malade dans la, la famille, mm-hmm. Euh, c'est vraiment préoccupant et je pense que euh, il faut justement, en tout cas, on a vu au niveau du centre, en tout cas, on dit de bonnes choses sur le centre. Mhm. Donc, l'État doit davantage euh, donc, accompagner et les partenaires et aussi véritablement chercher à faire en sorte que agir parce qu'une personne sur, cinq, au niveau, du pays, mhm. c'est quand même énorme. Alors, Ousseini, cette année, euh, la thématique, c'est la drépanocytose. Quelle stratégie pour une meilleure euh, survie des malades euh, Vous, quelles sont vraiment vos propositions à cet effet pour une meilleure prise en charge de ces Je suis ministre de la Santé. Hein. <laughs> vous pouvez proposer. Oui. Le ministre est là pour Ce que je veux dire, je vais abonder un peu dans le sens de alors Suleiman. Mhm. On sait que c'est une maladie génétique. On sait comment ça se transmet. Mm. Deux personnes qui sont tous trépanocytaires, c'est Marie. Les enfants qu'ils vont avoir là, ces enfants ont toutes les chances d'être trépanocytaires sous la forme grave. C'est comme l'a dit c'est la sensibilisation oui, non, que les gens mm, mm, comprennent. Que les gens comprennent, il faut savoir qu'est-ce qu'on est en train de poser comme acte. N'est-ce pas Lors des mariages et tout et tout. C'est beaucoup plus facile de freiner parce que la prise en charge coûte très cher. Mhm. Ça coûte extrêmement cher. Mais les gens, ils ferment les yeux autour de ces questions-là. Et on dit, quelle stratégie il faut mettre en place La stratégie, il n'y a pas. C'est une maladie qui est là, qui, est à vie, pratiquement. qui est à vie. Bon, alors, quand on sait que c'est une maladie à vie, et quand ça attrape souvent les enfants qui naissent, ils naissent avec la et maladie. Surtout avec les hein, complications. Avec les complications. Alors, autant éviter ces souffrances-là, on mhm. crée les conditions pour que chacun puisse connaître son statut sérologique et tout et tout avant. Mhm. Mais euh, ça coûte quoi Pas mhm. grand-chose. Ça va éviter qu'on soit dans des situations où on dit chaque année, parce que ça ne va pas finir tant que on se rencontre dans la rue comme ça. on, décide, de se on décide de se marier et puis c'est fini. Je ne sais pas, l'autre il souffre de quoi, moi je souffre de quoi, l'autre ne sait pas. On va se mettre ensemble. Donc Mais on alors, on va donner quoi On va donner prendre conscience, mesurer les degrés de, oui, Parce que en plus, sais que le problème de cette maladie héréditaire, c'est que c'est une eh, on ne peut pas le déterminer. Il y en a qui portent ça. C'est ça, c'est lié au sang. C'est lié au sang. Voilà, c'est lié au sang. Alors, ah euh, il faut, il faut, mettre fin, il faut créer les conditions. Ça ne coûte rien du tout. On ne va pas dire c'est parce que bon, je constate l'autre. Bon, je dis, je ne peux pas. je peux pas. Lors des crises, il faut vraiment du sang. Et, des fois, il y a la pénurie de sang. Mm-hmm, mm-hmm. C'est des problèmes. On espère bien que la mais population alors, puisse. C'est compliqué de faire cette sensibilisation-là. Allez faire le test pour voir qui est qui. Nous arrivons donc au dernier sujet du forum de la presse de ce vendredi, le 16 juin dernier. Le Niger a célébré le 46e anniversaire de la journée de l'enfant africain autour du thème Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants cas de la mendicité. La ministre de la Protection de l'enfant, Alaouri Aminatou, dans un message, estime que tous les acteurs doivent user des moyens adéquat en vue de sensibiliser les Nigériens pour éliminer le phénomène de la mendicité, une mauvaise pratique qui, selon elle, gangrène la société et porte atteinte à la dignité des femmes et des enfants. Et selon nos constats sur le terrain, bon nombre d'enfants sont utilisés par les adultes même pour mendier. Euh, Mohamedou Suleiman, quelle explication donner à, à, à, ce phénomène de mendicité des enfants ici au Niger euh, l'explication, euh, vous l'avez dit, non seulement sur le terrain, on les voit dans les rues ici à c'est les enfants qui sont accompagnés avec des grandes personnes. On en on envoie même les enfants on pour aller en fait parce qu'on pense qu'ils euh, sont plus sensibles à donner aux enfants. Mhm. Euh, mais même, euh, puisque c'est devenu une actualité, même les gens qu'on amène de, qu'on a amenés du Sénégal, euh, mhm. au du mhm. Ghana, il y a des enfants et ces enfants, mhm. c'est un trafic, ils sont utilisés et on a donné des détails dans les localités où les gens, les gens viennent. on a des enfants à location. Donc, vous voyez le travail des enfants dont on, dont on parle aussi, c'est de façon délibérée que les gens donnent leurs enfants, on va avec chercher les gens, on leur envoie les gens. Donc, en fait, euh, si vous voulez, c'est une réalité. C'est un commerce. C'est un business. C'est là où c'est un business. C'est là où c'est euh, Mais <laughs> vous voyez, euh, cette question de la mendicité, mhm. au fond, même notre religion, parce que je pense que pour même décourager les gens, c'est la religion ça, la, religion du religion parce qu'on dit celui qui, Même la religion est en bonne santé, qui, se permet de mendier, mhm. mais vraiment, c'est très grave ce qui est comme euh, de l'au-delà. Donc mhm. Donc, c'est pas, pas normal. Sans tenir compte aussi les, euh, euh, les, les, valeurs donc, où les mal vues une personne vraiment en bonne santé, mhm. c'est curieux souvent. Je vois souvent des, des handicapés aujourd'hui vous allez voir, le fond des choses, le créer des choses euh, pour se prendre même prendre d'autres personnes mm-hmm. euh, bien, important. importantes. Donc, mm-hmm. en fait, moi, je pense que il faut continuer à sensibiliser. Mm-hmm. Et j'ai vu justement, euh, le gouvernement a compris que c'est pas la, répression. Euh, ils ont commencé, donc, parce que j'ai vu la semaine passée, la, dernière, la première dame euh, à, la, à, mhm. elle est sont venus donc avec euh, des projets mhm, mhm. Euh, pour accompagner les femmes parce que tout simplement, il faut sensibiliser les gens, il faut. Ceux qui sont habitués à des facilités, ceux qui amènent des, millions ou bien des centaines de, milliers de qui vivent en tout cas, qui ont construit leur vie avec ça, cette voie facile. Donc, pour vraiment les décourager, il faut sensibiliser, il faut, des alternatives, donc des petites activités qui génèrent des revenus sinon, en tout cas, on ne peut pas abandonner ce, Il faut sensibiliser, mais vous, euh, selon vous, où se situent vraiment les responsabilités quelle, est, même d'ailleurs la responsabilité de l'État dans ce, dans La responsabilité, en fait, euh, pour sensibiliser, comme il l'a dit, il faut mm. sensibiliser, mais il faut également un suivi. Mm-hmm. Un suivi. il ne s'agit pas d'amener des projets mais il faut les suivre pas mhm. à pas parce pour qu'elles ne, ne puissent pas <laughs> euh, retourner. Parce que des fois, malheureusement, des, fois c'est ce qui se passe. Mhm. il y a des projets qui sont là, ils finissent de manger l'argent du mhm. projet et puis c'est fini. Et des fois, c'est les mêmes personnes qui doivent s'occuper, en tout cas, de la mise en œuvre, de la réalisation de ces projets, qui ne mettent pas les, tous les gros moyens donnés qu'on leur a donnés à la disposition de ces gens-là. Mhm. Mhm. Donc ça veut dire que moi, je, vois, je situe le problème de la mendicité à deux niveaux. Mhm. Il y a l'État, il y a également les parents. Les parents, oui. L'État, pourquoi Je ne dis pas l'État, mais je dis l'État parce que c'est décentralisé. Aujourd'hui, il y a les communes. Il euh, chaque maire, dans sa commune, doit connaître au moins qu'est-ce qui se passe dans sa commune. C'est à lui de faire des sensibilisations. Avec les chefs de village avec les marabouts qu'ils ont sur place. C'est une collaboration. Les mettre devant chacun euh, devant ses engagements pour pouvoir sensibiliser ces populations-là. Mhm. Parce que quand on regarde ce que l'État demande de faire et ce que les gens sont en train, de faire, c'est totalement différent. C'est totalement différent. Mhm. Parce que ce sont ces communes, ce sont ces maires, ce sont ces chefs de village qui doivent remonter l'information mhm. jusqu'au plus haut niveau. Mhm. Et quand il n'y a pas cette information qui euh, vienne euh, jusqu'au plus haut niveau, mhm. c'est à ça qu'il faut, il faut s'en tenir. Les parents, là aussi, les parents sont fautifs. En quoi ils sont fautifs Ils sont fautifs parce que tu ne peux pas mettre au monde un enfant et ne pas veiller, en tout cas, à l'éducation de cet enfant-là. Tu ne peux pas aujourd'hui si. les parents ont failli. Les, parents ont failli à l'éducation. L'éducation des enfants, ce n'est plus la même chose. Mm. Aujourd'hui, c'est le gain facile. Et les parents, il y a des parents qui, oui, qui en tout cas propose, qui, oui, oui, mhm. qui loue, qui donne en location ses mhm. enfants. On dirait des marchandises. Vous ne pouvez pas aujourd'hui prendre un enfant et donner cet enfant en location oui. parce qu'à la fin de la journée, vous pensez que l'enfant va vous ramener quelque chose de 500 ou quelque chose de 1000 francs. Mais justement, il y a, des, sanctions, il, y a des sanctions même qui sont prévues. Parce et, que... et je suis contre le fait qu'aujourd'hui, dans un village, un homme qui ne peut pas assurer, en tout cas, euh, euh, euh, mettre sa, femme dans les conditions de vie mm-hmm, mm-hmm. et de ses enfants-là puissent se remarier jusqu'à faire trois, quatre femmes. Et mhm. il y a des localités où les hommes se marient, c'est mhm. justement pour avoir des enfants et faire un commerce autour donc euh, de cette situation-là pour envoyer les enfants. Ousseini, qu'est-ce qui pourrait vraiment mettre fin à, cette, à, ce, genre de... Voilà, les sanctions. Non, non, non, moi je suis contre, il faut sensibiliser. Ils mhm. sont conscients que ce qu'ils sont en train de faire, c'est pas bien. Il y a on a sensibilisé, on a sensibilisé les gens, c'est pas parce qu'ils sont pauvres. Mhm. Tu fais ton champ de mille, tu mets ton, tes, boîtes de mille dans ton grenier. Mhm. Tu te dis que en tendant la main, tu vas, tu Justement, il y a une peine d'emprisonnement de 6 mois, un an qui est prévu par la loi, oui. Quand on applique, vous savez, souvent moi, c'est ça quand on dit sensibilisation. Mm. On va sensibiliser jusqu'à la fin de ce monde-là. il y a des gens, ça va jamais rentrer. Parce qu'ils ont appris à faire ça. Ils savent qu'il y a de l'argent dedans. Mm-hmm. Mm-hmm. Vous pensez que la sensibilisation Non. Mais ceux qui le font là, ils savent que c'est pas bien. Mm-hmm. Mais imaginez quelqu'un qui peut trouver de l'argent, qu'on voyait jusqu'à 10 enfants, jusqu'au Sénégal ça dit frais de transport. ça peut te permettre de faire un commerce. Mhm. Localement, chez toi, tu peux monter un commerce avec. Mhm. Jusqu'au Ghana. C'est parce qu'ils se sont dit, il y a de l'argent dedans et c'est facile. Je vais convoyer une dizaine d'enfants et le parent qui loue. Mhm. Le parent qui loue, c'est parce qu'il s'est dit que bon, un tel est là-bas. Si, comme l'a dit Memouna, si les parents ont failli, comment mhm. protéger vraiment ces enfants Les parents n'ont pas failli. Les mhm. parents, il faut les sanctionner. Comment Parce garantir leur droit à la protection Non, non, non. Mhm. Non, mais attends. Non, non c'est qu'il faut que l'État frappe. Il faut que ça soit fort. C'est-à-dire, quand vous avez le plus souvent, quand on dit sensibilisation, moi je dis, il y a des moments où il faut arrêter la sensibilisation. Mm-hmm. Tout le monde est conscient que mettre ton enfant entre les mains de quelqu'un d'autre qui va transporter l'enfant à 10 000 km, à 5, 3 000 km d'ici, pour aller le mettre dans les rues, mm-hmm. pour qu'il cherche l'argent pour lui, et qui t'envoie chaque fin de mois peut-être 25 000. Toi, mais alors, ce monsieur-là, il mérite quoi mhm, mhm. Le poteau Je crois c'est pourquoi l'État. Oui. L'État, par exemple, quand on, quand on amène ce jeune là mhm. l'État considère qu'il y a des mineurs. Ah, oui, des mineurs. Voilà, des mineurs, des mineurs. Ceux-là qui, qui, prennent la location. Donc, c'est là qui vont en prison. Mais avec, il faut sanctionner. Maintenant, en fait, il faut sensibiliser. Mais, aussi les parents. D'autres couches de la société. les parents, ils se pas dans quel cadre on est en train de transporter ton enfant jusqu'au Ghana ou jusqu'à. Le gars facile, c'est l'a Mais alors, est-ce qu'ils ne sont pas au courant Est-ce qu'ils ne le savent pas Ils le mhm. savent. Mhm. Ils le savent. Ils se disent, bon, j'ai mis beaucoup d'enfants au monde, ils ne vont pas à l'école, ils ne vont pas au champ. Même un animal qui rentre dans un champ, on le chasse aujourd'hui, on le chasse demain, après demain. Quand il va revenir, il trouve la frontière là. Voilà. Merci donc, Ousseini. On espère vraiment que toute la population puisse prendre conscience de la gravité du phénomène de la mendicité des enfants pour vraiment changer la situation. Et c'est ici que prend faire le décryptage de l'actualité de la semaine. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à nos invités, Memoune Diado, journaliste indépendante. Elhaj Mohamedou Suleiman, directeur de publication du journal en ligne Niger Inter, Ousseini Issa, journaliste indépendant. Merci à vous. Et à la technique, c'était Mustafa Ayouba, la régie vidéo Issa Lawali. Je suis Nafisa Adam Surfa, la modération. N'oubliez pas le rendez-vous des jeunes samedi et dimanche dès 17h sur nos 52 radios partenaires avec l'actu des jeunes et tous à la FADA. Et à partir de 18h15 les samedis et dimanches, vous suivrez les forums en Hausa et en Zarma. Au revoir.